kun gadir labura zamba da cutanir labo fansi agai kangir binehe labo talkasin da me sanni borokul no kanga fazase Eh, nous sommes à Agadez. Bonsoir et bienvenue sur un nouveau numéro de Tous à la Fada, votre émission consacrée à la jeunesse active du Niger. Nous sommes dans la ville d'Agadez, située à 908 km de la capitale de Niamey. Vous le savez, le Niger a connu des élections générales 2020-2021, élections municipales, législatives et présidentielles, des élections ont occasionné l'arrivée des nouvelles autorités, notamment président de la République, son Excellence M. Bazou Mohamed, des parlementaires, des autorités municipales, les 260 36 communes avait jusqu'au 25 mai 2021 pour installer les autorités communales. Et oui, dans la FADA de ce soir, nous allons parler de l'installation des élus locaux, surtout voir l'attente des jeunes, filles et garçons de la région d'Agadez. Pour rappel, le conseil municipal d'Agadez a été installé le 11 mai 2021 et c'est El Haj Abdraman Tourawa qui est le nouveau maire. Les invités nous en durons plus tout à l'heure leur attente envers les nouvelles autorités de la ville d'Agadez. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi donner vos avis. Pour les fidèles, ils connaissent déjà les codes. Pour les nouveaux, on vous les explique. 80 06 88 54 pour participer à l'émission à travers vos commentaires et pour recevoir tous nos contenus. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Tout ça, la FADA, vous le savez déjà. Vous nous kiffez à travers le Niger. Vous êtes habitués. C'est 35 minutes d'échange 35 minutes d'émission et vous aurez aussi la chronique. Il sera présenté par Mistoli. Oli Choco, comment tu vas Dis-moi que tu pètes la forme. Eh, sinon, si c'est la forme qui te pète, tu me le dis aussi. Eh ben, écoute, mon vieux, c'est la pleine forme, Dieu merci. Super. Et comme annoncé, hier, on a parlé de comment les jeunes contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger. et eh bien, ce soir, on va continuer sur le même angle, mais cette fois-ci, on va parler de ce travail que les jeunes font pour euh, une meilleure orientation des petits frères et des petites sœurs qui passent les examens du bac. S'orienter, c'est rechercher les quatre coins du monde. Alors s'informer, c'est rechercher les quatre coins du Niger à travers nos 46 radios partenaires. Qui fait la musique, c'est écouter l'émission tout à Merci pour ces propos. Allez, merci à toi, mon vieux. exactement 25 minutes pour la suite de ce que tu as commencé. Allez, belle émission, mon vieux. C'est parti, décollage imminent. Mesdames et messieurs, vous allez bien Alors, monsieur, vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît Moi, c'est Idriss Yahya. Il y a une seule chose que vous n'avez pas aimé quand vous étiez ici. C'est le fait que vous n'avez pas trouvé du thé. Du thé, exactement. Donc, du coup, le thé, le monsieur, il est en train de préparer très bien le thé. Dans un instant, nous serons servis. On est d'accord Oui. Nous sommes exactement où Donc, nous sommes situés ici, dans la maison de culture Laya. Donc MJC Laya. MJC Laya. Super. Ici, nous allons parler de culture. Eh, monsieur, vous savez que la culture est au devant et à la fin de tout développement Exactement. Super. Nous sommes des hommes de culture sur l'émission Tous à la Fada, puisque nous avons une rubrique culturelle intitulée L'artiste exprime. Nous sommes aussi avec une grande dame elle répond au nom de Aïcha Salaou. Aïcha, comment tu vas Je vais bien. Au bord comme on dit et comme on aimerait vous appeler, vous, vous œuvrez dans euh, le domaine, hein, vous accompagnez euh, la jeunesse d'Agadez. Ça va Vous êtes en forme Oui, ça va. Prête pour l'émission on y Toujours short, comme on dit ouais. Super. Alors, je suis aussi avec un autre monsieur qui est très bien habillé d'ailleurs, euh, avec un style en tout cas hors pair. il est habillé un peu. C'est quoi la couleur de son djabba là Vous pouvez me dire c'est quelle couleur c'est une couleur rare. Hein. Comment est-ce qu'on vous appelle Laoli Ayouba. Laoli, ça va bien Oui, ça va bien, Super. Je suis aussi avec un autre jeune très très actif. On vous l'a dit que nous sommes à la FADA. Il est habillé en tenue de sport AVFC. C'est quoi AVFC c'est Aston Villa. Vous aimez le sport ah, très Super. Alors on va parler de tout ça. Si vous aimez le sport, peut-être que vous avez un mot à l'endroit du nouveau maire pour qu'il puisse euh, accompagner la jeunesse à pratiquer j'ai deux hein. Ça va Alors, comment vous allez Ça va. Vous êtes en forme Monsieur Bachir, la fada elle est hyper garnie aujourd'hui. Et finalement, je serai avec un homme à plusieurs casquettes parce qu'on a causé hors antenne avant même que tout le monde débarque. Alors, vous êtes euh, monsieur Suliman On peut avoir déjà euh, un peu ce que vous faites dans la vie Actuellement, je suis jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, l'entrepreneuriat des jeunes. Monsieur, en dehors de ça, qu'est-ce que vous faites encore Je oh, voulais encore dans la vie associative. La vie associative Oui. Super. Vous faites partie aussi du Conseil national de la jeunesse Au Conseil communal de la jeunesse. Conseil communal de la jeunesse. Mesdames et messieurs, nous sommes donc avec des jeunes très très engagés. Eh, L'avenir de ce pays repose sur les épaules de la jeunesse nigérienne. Première question adressée aux jeunes de la région d'Agadez, à ce qui concerne ce numéro. Ces autorités qui viennent de s'installer sont-elles de manière générale source d'espoir pour les jeunes filles et garçons de la région Alors Aïcha, nous nous nous

d'espoir. Uh-huh. Mm-hmm. Zama wato kan l'actuel maire go vice-président de la délégation spéciale, uh-huh. c'était vraiment un homme bien, mm. un homme qui watkuli de ferantanigo pour la jeunesse. jeunesse. Ah. Oh. Oh. Donc du coup, du c'est un espoir pour la mm. jeunesse. Mm. De toutes les façons, on a un numéro, no borkulse. Mm. à l'heure où la personne veut. Et ingumoga tu boris. eh, Aisha Monsieur le jeune, vous faites partie donc euh, des jeunes euh, décideurs. Comme tu le dis, vous avez aussi. Je peux te tutoyer. Nous sommes à la fois, c'est entre nous, non On est jeunes. Euh, tu as une vie associative euh, ok, importante. Euh, pensez-vous que les nouvelles autorités peuvent être de manière générale source d'espoir pour les jeunes filles et garçons oui, pour euh, l'instant, on peut le dire. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc là, vous mettez les choses entre griffes. Voilà, parce que euh, l'homme politique a toujours. Il euh, peut changer à, tout moment. Il est comme un caméléon. Nous sommes à la FADA, c'est la FADA. On a vu beaucoup de cas à leur prise de fonction. Hum. Ils ont appelé la jeunesse pour échanger sur la question, sur le préoccupation de la jeunesse. Quelques temps après Quelques temps après, ils ont changé, ah. ils ont fermé leurs portes. Ah. Et c'est ça qu'on ne souhaite pas pour ces nouveaux autorités qui vous écoutent, écoute, vous entendent. On va euh, même lui envoyer le lien de l'émission. Voilà. Et mhm. c'est dans ce sens que vraiment que on veut que ces nouvelles autorités au niveau local et au niveau régional mhm. prennent en compte les préoccupations de cette jeunesse qui a été toujours délaissée. Mhm. C'est Ce n'est pas leur rencontre, les échanges avec la jeunesse qui est important, mais c'est du concret quelque chose de concret sur le terrain. C'est ça que la jeunesse veut. Il faut qu'on dépasse cette théorie. Irma, théorie irsibara ne. Ngeo zama généralement dit ka ine bore igangan bore samada ton ton porte boni dabo. Mon ami, le sportif, qui répond au nom de Chebou Maman. Cette année, Chebou, les jeunes filles et garçons étaient fortement impliqués et engagés dans le processus électoral les jeunes étaient engagés, il faut le dire. Engagés, vraiment. à travers la validation de leur candidature aux élections euh, municipales, les jeunes étaient aussi au cœur des élections. Vraiment. Ils étaient engagés, ils sont partis voter, ils ont aussi postulé, ils, étaient au cœur. ils ont bien dansé. Ils ont bien dansé. Qu'est-ce qui explique cette situation ici à Agadez Vous voulez changer vous-même les choses, être parmi les décideurs Ou qu'est-ce qui explique que vous étiez engagé jusqu'au coup pour parvenir Jusqu'à la magistrature suprême, parce qu'on a vu des présidents qui ont voulu briguer la magistrature suprême. Qu'est-ce qui peut expliquer cela eh, Il y a beaucoup d'engagements que la jeunesse a pris. Ok. ils ont bien dansé parce qu'ils veulent changer le pays, mais pas Pourquoi Vous vous sentez frustré dans le temps et vous voulez parvenir pour changer les choses en tant que jeune ah, S'occuper de vous ou c'est quoi Expliquez-moi en termes clairs. J'ai été engagé à ce point. Fada ne fa imini zancen fada hiran fada zaka mini da Allah. Imini zancen fada. Ai eh, hankuri ta fadan zani maka. To imini fana zani. C'est ça, les jeunes étaient entrés vraiment eh. pour avoir un changement. Tant. Ah, bari ma ma wannan bah, magana après ba ka balle parce que lui dit <laughs> na mara karam kai abocina na baka magana in eh, rappelle-moi le nom déjà sur l'émission daga moi idris ya yi Bakasha ka so fada baka sha shayi ba na ba na ba shayi kawo shayi mana ya dan ku vous avez engagé tout là tu disais que les jeunes en ont marre vraiment oh. vraiment vraiment les gens et les jeunes on en a marre de la situation. tout ce que tu as de tes C'est ça qui m'a amené à hommes Aujourd'hui, aujourd'hui, nous voulons changer carrément la situation sociopolitique. Nous voulons que nous, les jeunes, prennent le devant, prendre nos responsabilités parce que les anciennes têtes là, aujourd'hui, qui nous ont vraiment grillé la situation d'aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, nous voulons. Vous, vous avez vraiment ras-le-bol. Vous voulez changer les choses. Changer complètement. C'est est lui-même d'abord possible si les jeunes aujourd'hui s'engagent d'être ensemble aussi. Nous allons changer les Donc nous allons changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, les Niger, comme vous voyez, les 90% aujourd'hui, ce sont des jeunes. Hmm. Donc, du coup, il y aura un changement. Un changement. Sûrement, Inch'Allah, que les jeunes prennent conscience de leurs choses. Dans un an ou deux ans, en je vais revenir peut-être ici, on va poser notre fada, peut-être qu'il y aura ce changement à partir de Sûrement, Inch'Allah. On va changer les choses. Parce que la mission de l'équipe jeune du studio Kalangou, c'est justement ça. Euh, Avoir la vie des jeunes nigériens parce que nous sommes écoutés à travers le Niger pour qu'on puisse tenir compte de tout ça est-ce que vous êtes d'avis avec eux que les jeunes doivent prendre les choses en main que les jeunes euh, sont délaissés surtout ici à Gadez oui maintenant on peut se dire oui parce qu'on voit qu'il y a un changement mhm. parce que ce quoi les grands canons de l'information. Mhm. Il faut partager des informations s'il y a quelque chose. la, jeunesse doit, doit, s'impliquer. pour être informée. Et doit être actif. Ok. Au des choses. Et doit être actif dans les changements au niveau de la commune. Mais le problème, c'est manque d'informations. S'il y a des informations, vraiment, on peut travailler ensemble avec cette jeunesse-là, qui sont prêts à accompagner la commune pour amener un changement au niveau de tout secteur. D'accord. Super. aya D'accord, avec cette première partie. On va prendre une petite pause. On va revenir dans un instant. sur ce qu'on fait, vous aurez quelque chose à dire. L'artiste s'exprime. C'est une rubrique de l'émission Tous à la Fada. On va donc kiffer l'artiste de la semaine. Et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérienne. pour la prospérité de la culture, le studio Kalambu présente l'artiste s'exprime. Vous vous rappelez certainement de Mabiba. Elle répond au nom de Biba Conche. Elle est née à Fandou en 1982. Elle opère de la mode. Elle est nigérienne. Elle a représenté vaillamment les couleurs nationales hors de nos frontières. Elle est tout le temps au pays pour apporter sa part de contribution pour la nation tout entière. Fraternité, travail, progrès. Hier, sur l'émission Francois Aoussa, présenté par la Miss Slim. Alors aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de mode. Vous êtes jeune, ça vous concerne certainement. Vous kiffez cette émission parce que vous êtes la cible de l'artiste s'exprime. Issu de l'émission Tous à cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne et aussi mondiale. Mabiba. Oui. On te connaît déjà. Hier, tu étais avec nous donc euh, nous sommes jeunes. Hier c'était vous, vous, vous, mais je considère qu'aujourd'hui on se connaît, on est jeune, jeunes. On peut se tutoyer. On Super, donc tutoyons-nous vivant comme on dit. <laughs> Mabiba dit la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste exprime. C'est toi qui es au cœur de l'événement. C'est toi qui es au cœur de l'artiste. C'est toi l'artiste parce que tu crées. Et la mode aussi n'est pas du tout chose facile. On vous a vu débarquer au Niger euh, récemment avec euh, notre esprit, une autre philosophie. Mode nature, mode, environnement. Parlons de ce concept. Alors, euh, Mabiba est une marque éco-responsable. Éco-responsable. Éco-responsable. C'est quoi éco-responsable en termes fada Éco-responsable, Ngagichi, Sanga, Irga, Hawaïda, matière et qu'on utilise dans la création euh, de nos pièces. Ah. Donc on favorise beaucoup plus des matières euh, euh, facilement dégradables. On ah. fait aussi beaucoup de la récupération pour ah. donner une deuxième vie aux matières. Au lieu que ça soit jeté dans la nature, souvent on fait de la récupération. Ça permet de donner une deuxième vie. Voilà. Voilà recyclage. Mhm. Mhm. pourquoi mode d'environnement message euh, parce que tout simplement, euh, moi de nature, je fais attention à mes consommations. Mhm. Et donc, euh, quand j'ai créé Mabiba, la marque de mode, je me suis rendu compte à travers mes recherches. Je t'avais dit en fait que je, je, suis en train de me former. voilà Là, je me documente beaucoup. Tout à fait. Et dans mes documentations, je me suis rendu compte que euh, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ah, ah. Oui, oui. Pourquoi Parce que vous voyez, quand on, on prend de la plantation, par exemple le coton. Le coton. Le coton. Habu mhm. noir. Parce que on produit en Afrique. En Afrique, ouais. Voilà. Mhm. Pour produire le coton, il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau. Et puis après la transformation de produits colorants et tout ça, c'est pas bon aussi pour la nature. D'accord. Donc, il faut trouver des voies et et moyens pour. Il euh, faut trouver des voies et des moyens. Donc, on doit rechercher c'est tout ça que j'ai effectué comme recherche et tout. Et puis, euh, il y a tellement déjà de créateurs qui sont investis dans ce domaine qui fait que ça facilite les choses en termes de recherche. On a beaucoup d'informations sur le net, vous pouvez aller voir. Le message que j'ai à lancer, c'est juste pour euh, dire à la population qui n'a pas bien compris le concept, le concept n'a pour but que de sensibiliser uniquement. Le concept est encadré. Euh, on va travailler en partenariat. Euh, nous lançons également un appel aux associations, aux ONG, à toutes ces personnes qui œuvrent dans cette démarche écologique euh, de créer une sorte, une synergie autour de ce concept ou d'autres concepts, en tout cas pour faire changer positive notre impact environnemental. À l'instant T, c'était l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada. Attaquons notre deuxième série de questions. Pour ceux qui viennent et eh de nous prendre en cours, mesdames et messieurs, nous sommes à la MJC Laya d'Agadez. Nous sommes donc en compagnie de nos amis. Nous parlons, mesdames et messieurs, des élus locaux. C'est le thème qu'il faut surtout retenir. Tous à la Fada. Installation des élus locaux. Quelle attente des jeunes filles et garçons de la région d'Agadez C'est cela le thème. Aïcha en tant que jeune fille, qu'est-ce qui n'a pas marché avec euh, les précédentes autorités sur la question des jeunes filles selon vous Sincèrement, hmm. Le plus grand problème, oui. ce ne sont pas les autorités. C'est quoi le... Qu'on se dise la vérité. Ah, la vérité. Quand tu es fille, mhm. elles ont tendance à se renfermer et à se mettre toujours derrière de la scène. Et c'est ce qui ne doit pas être fait. Hmm. Donc se sous estime trop. Et quand tu es fille, il y a certaines choses que tu dois oser. Et même si euh, d'autres te voient d'un autre œil, m'ont dit ah. donc nous, nous, nous, oser ah, d'abord. Nous, sommes maintenant. fait, oser. Et ne ah, ouais, voilà, oh, assez hmm. Sûrement, aga hmm. Elle se connaît euh, entre comme on dit. Et Hmm. Or, c'est pas ça. Quand tu veux faire changer les choses, faut les changer. Hmm. ferme tes oreilles sur ferme tes Même si on t'indexe ou bien on te ah. traite, on te regarde du mauvais œil. Voilà. c'est ce qui fait en sorte que les jeunes filles spécifiquement hmm. se rétractent. Aïcha a tout dit. Monsieur le jeune, du conseil communal, pensez-vous que les préoccupations des jeunes a été de manière générale n'ont pas été prises en charge par les politiques ou bien est-ce qu'une situation qui est d'avance difficile Si on peut le dire, les préoccupations de, la jeunesse, mhm. depuis fort longtemps, n'ont pas été prises en compte. Mhm. Euh, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours ou depuis même la colonisation Depuis la colonisation, ah. jusqu'à nos jours. On utilise toujours le jargon jeunesse, jeunesse pour utiliser cette jeunesse. Hmm, donc, c'est vraiment toujours ce qui a été fait. On pense que lors des élections passées, là, comme on a vu une motivation forte euh, à travers la jeunesse qui se sont prononcées pour faire la politique, avoir un changement. Et on sent un peu ce changement par rapport à certains postes de responsabilité aujourd'hui que la jeunesse occupe. Alors, puisque nous espérons le changement, avant de vous donner, vous trois, la parole, nous allons prendre une petite pause musicale. Une pause musicale pour donc euh, ainsi faire plaisir à toute la jeunesse du Niger qui écoute cette émission. C'est pas que Agadez, c'est le Niger en miniature puisque nous avons 46 radios partenaires dans les quatre coins du Niger. Vous connaissez la formation Kadangaskia Kindazari watifono tabo sur Voici pour vous Kaidan Gaskia Matassa ça vous dit certainement beaucoup de choses. Deux, voilà, Voilà, on kiffe et tout de suite la suite. dans tous les temps, omniprésent présent dans le combat, si la vie ne lâche pas. Situation critique, tout va mal dans le pays, je le dis au président, le constat est pathétique. Le signe persiste, amer et amnésique. L'intrigue du style au cours de l'âme de gouverner. On n'est pas considéré, mais je sais qu'on est considérable. On n'est pas à consulter, mais tu sais qu'on est consultable. Vous nous minimisez, on n'est pas minimisable. On vous laisse nous gouverner, c'est pas parce qu'on est gouvernable. Où est le sens de l'équité quand on dit partage équitable On vous tend la charité et vous n'êtes même pas charitable. Gouvernant, gouverné, ici on est tous gouvernants, gouvernables.

kam on parle de l'installation des élus locaux quelle attente des jeunes filles et garçons de la région d'Agadez Idrissa mhm. on le sait les jeunes filles et garçons sont parfois timides qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau selon vous pour les booster à s'impliquer dans les prises de décision les jeunes, des fois, ils sont là, les bras croisés, timides. ana suna shan wahala ba su san Donc comment est-ce qu'on peut faire Quelle est la procédure ou la méthode par laquelle nous pouvons passer pour booster ces jeunes qui sont croisés dans les bras, qui ne disent rien Ah Donc voilà face à ce problème. C'est un problème. Donc c'est purement des problèmes. Ah, voilà. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas dynamique, euh, c'est comme ça. Donc elle sera toujours piétinée par les autorités aussi. Voilà. On ah, Donc voilà. Mhm. Donc à ce point, moi, c'est que je, je dois lancer d'abord un appel à l'endroit de la jeunesse. Un appel à l'endroit de la jeunesse. nous dans la phase perspective. Perspective. Voilà. Donc, la jeunesse doit être dynamique. Ah, voilà. Elle doit être dynamique. Ah. Elle doit être aussi courageuse. Mhm. Parce que on a dit dans un adage, il faut toujours s'armer de, du courage. Voilà. la, la c'est jusqu'au combat. Et les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés. Voilà. On tombe, on se relève comme un enfant qui apprend à marcher. C'est la traversée du désert. On vient d'Arlit. Merci. Attends. Ah, Donc vous voyez. Mhm. Donc euh, c'est ça à la jeunesse que je peux dire à la jeunesse. Mhm. Vraiment d'être d'abord soudé. Mhm. L'union fait la force. L'union fait la force. La solidarité là, entre nous, la jeunesse, il faut qu'elle existe. C'est deux qui se lavent. Je te l'avais dit dans une précédente émission. Et on a besoin de cette idée Voilà, l'ensemble donc on est plus fort. Ensemble on peut déplacer des montagnes. Donc voilà, avec ça aussi, déjà on a une autorité qui est là en place, déjà qui nous montre déjà la voie de la réussite. Parce que et, donc, elle nous a accueillis à bras ouverts. Mhm. Parce que déjà le premier donc euh, le mhm. maire, le nouveau maire. Déjà, il a pris euh, le premier contact avec la jeunesse. Le premier contact, c'est un engagement. C'est un engagement. Mhm. Et le deuxième, déjà, il nous a déjà dicté son programme. Son programme qu'il est censé exécuté, dans un délai exécutoire. déjà aujourd'hui, je peux dire on a une chance d'avoir un jeune qui écoute et qui réunit déjà à la prise de fonction. Ça occasionne à vous. Le gars qui est habillé à FFVC, il dit Ah, bah Niger, bah, quand tu disais qu'on peut déplacer des montagnes. Donc vous ne croyez pas en nous. Ça veut dire qu'on ne va pas faire les choses. Non, on va le faire, Inch'Allah. On va le faire oui. Mais pourquoi on vous avez dit non, pas au Niger Dites-moi. Oh, au fait, on veut changer les choses. Oui, on veut changer, on veut les choses. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas, qui font en sorte que les jeunes ne sont pas unis, c'est la FADA. On peut le dire pour amener les jeunes à s'unir. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas Qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes ne sont pas unis Ça veut dire que les, jeunes ne hmm. sont pas soudés, c'est pour cela. Oui, qu'est-ce qui peut expliquer ça pourquoi on ne peut pas rester soudés ou entre jeunes pour changer les choses vraiment, On peut être parmi les décideurs. Vraiment, je ne sais pas. Oui. ah, tu ne sais pas Oui. C'est un manque de compréhension. Uh-huh. Mais c'est ça. Donc du coup, on ne se comprend pas et puis ça fait que, en sorte que... C'est ce qui nous a fait, même auparavant, là, on nous a du tout piétiné. Uh-huh. C'est ce qui nous a fait que maintenant, auparavant, on nous a piétiné par rapport que nous, on n'a rien compris. Mais cette fois-ci, heureusement pour nous, que la jeunesse a pu comprendre la situation. Aujourd'hui, la jeunesse, d'elle-même, elle cherche à être unie pour un même cause. Cherchons toujours les perspectives. On arrive à vous et pas de soucis. Mais vous, monsieur, est-ce que vous avez des propositions à faire pour que cette jeunesse aussi puisse faire avancer les choses Je parle des jeunes filles et garçons de la région d'Agadez. Est-ce que vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez euh, des suggestions à nous faire sur cette émission Parce que là, c'est quoi. Et lui, il a même anticipé. Eh, perspective, solution, chercher. Est-ce que vous avez des solutions pour nous Oui, les solutions sont comme on est ensemble. Oui, c'est vrai, ensemble, on est plus fort. On est plus fort. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hum. Donc, Eske kuna da wasu abubuwa da kuna, so ku mun propose don mu samu abun ga wannan kasar na irma ka wahidu lura. Ina da abubuwan gayi kamar eh. matasa mu zabura mhm. ya zamanto ina nan ta da mishi hankali <laughs> wannan mai shayi na wallahi shayi ce sha ya zamanto kano mu haɗe suke mhm. mu san ayyukan da ke gaban mu mm. in ya zamanto yau matashi ya samu Eh, shiga cikin shugabanci mhm. kenan kai ya manta da sauran matasa mhm. kuma ya zamanto su ma matasan duk wanda ya samu mhm. wuri ya san da cewa eh, gurin shi na kasa ce ta shiga bane kuma ya zamanto ya ƙara ma matasa eh, mai ake cewa karhin gwiwa cewa su ma su taso su kama a tayantar da kasa. kasa mm. ta samu ci gaba mai ɗaurewa kai monsieur le jeune nous sommes en train de chercher, vous en tant que structure, en tant qu'association, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour plus sensibiliser la jeunesse, pour amener cette, jeunesse à dire que vous êtes aujourd'hui l'avenir de ce pays, pour dire à cette jeunesse que l'avenir du Niger en question repose sur vos épaules. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ou bien au niveau de la jeunesse, on a toujours dit, on a toujours euh, de critiqué hein. euh, eh. que la jeunesse euh, doit s'unir eh. d'abord. Ça, c'est vrai. C'est l'union qui fait toujours la force. Voilà. Il y a un problème que là, qu'on doit se comprendre que on ne peut pas tous être des leaders. Ah, c'est pas possible. C'est ça le grand On peut mettre un leader devant oh, Voilà, aujourd'hui, je peux dire que non, je peux pas suivre ou Oubé, je peux pas suivre Idrissa. Hmm. Mais c'est ça le grand problème. Ah, chacun veut être euh, Chacun leader. veut être leader. Ah, bah, et là, c'est un problème au niveau de la jeunesse. Il faut qu'on soit fort d'abord. Et en désignant un leader, qu'on suit quelqu'un. D'abord, hmm. c'est dans ce sens qu'on peut évoluer. Mais si hmm. tout le monde veut dire qu'il veut être dans son coin, en tant, En tant que leader là, on ne peut pas aller de l'avant. On va avancer en rein dispersé. Euh, Et qui dit dispersé dit hagiyan. Hein? Voilà. On va solliciter Olivier sur cette émission. Olivier va ainsi annoncer Aïcha pour la fin de l'émission. Mister Olivier, c'est le présentateur de l'émission. Tous à la fada en ce qui concerne bien évidemment la chronique. Mr Olivier, eh, dont dit la machine et les humains te souhaitent la bienvenue à la MJC Laya de la région d'Agadez. Oli. Merci mon vieux. Causons sur l'émission. Ami de la Fada, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Oui. Ah comme toujours, on va terminer ce qu'on a commencé hier. Commençons, terminons ce que nous avons commencé. Hier, dans la chronique, je parlais de la manière dont les jeunes Nigériens contribuent au développement et à l'accès à l'éducation et les cours d'appui étaient au cœur de notre chronique. Ce soir, nous allons aborder une autre manière par laquelle les jeunes Nigériens contribuent à l'amélioration de l'accès ah. à l'éducation. Ah, ah. Tout ceci pour inspirer ceux et celles qui ne sont pas encore au courant de ces belles initiatives. Alors, nous allons donc parler des campagnes d'orientation. Combien d'entre nous n'ont pas souffert des choix après le bac Attends, pourquoi tu poses toutes ces questions Pourquoi tu parles d'orientation avant que nous nous répondions à ta question Tout simplement parce qu'aujourd'hui, hmm. comme tu l'as dit en début d'émission, orienter, c'est rechercher les, quatre Mais quand on parle du domaine scolaire ou académique, orienter, c'est trouver sa future carrière. Super. Donc, euh, pour euh, l'étudiant ou bien pour l'élève qui vient d'avoir son bac, s'il n'est pas bien orienté. Ah, il va finir mal. C'est fini, frère. C'est fini, frère. Ok, d'accord, continuons. <laughs> Alors, combien d'entre nous n'ont pas souffert des choix post-baccalauréat En tout cas, nous sommes nombreux et en tout cas, nombreux sont ceux et celles qui se sont demandé, maintenant que j'ai mon bac, quelle filière je vais choisir ou encore comment je peux déjà choisir ma filière pour ne pas, pour ne pas souffrir sur le plan académique. Bref, le choix post-baccalauréat constitue un vrai problème pour les jeunes. Dans la plupart des cas, c'est la vie des parents qui compte. Par passion ou par envie de voir son, par passion ou par envie de voir son enfant dans un costume cravate, un parent peut demander à son enfant de faire telle ou telle étude. Dans certains cas, cela ça marche, mais dans d'autres cas, le choix des parents ne marche toujours pas. Eh bien, c'est pour résoudre tous ces problèmes que depuis un certain moment déjà, des regroupements de jeunes, des cabinets de formation, détenus la plupart par des jeunes, partent auprès des jeunes bacheliers pour les sensibiliser sur leurs choix futurs. Ce travail d'orientation post-baccalauréat va jusqu'à proposer des bourses aux nouveaux bacheliers. Ceci pour éviter à ces jeunes de ne pas pas tomber dans des pièces d'accès aux bourses après leur étude. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, chers amis, dans l'espoir que ces initiatives citoyennes en faveur de l'éducation nous permettent d'avoir une éducation de qualité, nous souhaitons bonne chance aux initiateurs et initiatrices de ces différentes activités. C'est la fin de la chronique de ce soir. Alors, j'aimerais avoir euh, l'avis de la sœur sur comment est-ce qu'elle a fait son choix après son bac. Qu'est-ce qui t'a poussé On va finir avec la sœur comment est-ce que tu as fait ton choix après le bac C'était facile, compliqué ou comment Non, très facile. Ah ouais euh, Je voulais faire trois choses dans ma vie. Soit devenir journaliste, communicatrice, soit devenir avocate ou bien porter la tenue de la gendarmerie. Ok, super. Et malheureusement, le papa a dit la gendarmerie, c'est pas bon pour la fille, c'est pas bon pour moi de porter la tenue. C'est <laughs> le mhm. c'est ça qui a mené la deuxième guerre mondiale. <laughs> c'est pas frère. pas fini, frère. Après ça, la question de la justice au Niger. En fait, j'avais eu un petit trac. Je me suis dit, Anya, ah, avocate, quoi, J'ai préféré faire la communication, journalisme. Et c'est ça que je suis comme, comme, moi, comme, moi, par exemple. mais tu ne me poses pas la question. Alors, le vieux Ah non, moi, je n'ai plus à répondre parce qu'elle a déjà répondu. On se ressemble un peu avec elle. C'est fini, ça. J'ai un master en droit, mais je suis dans la communication. J'ai un master 2 à l'université de Niamey. J'ai fait 13 ans avant de l'avoir. J'ai mal fait mon choix, mais je ne regrette pas ce choix, mon frère. Et dans l'espoir que les autres ne feront pas les mêmes erreurs que ouais, nous, parce que bah, on leur souhaite une belle orientation. C'est la fin de la chronique de ce soir. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, lumière, amour sur vous, you one et big love sur vous. Bye bye. On va donc permettre à la euh. journaliste de conclure. Merci. Vous avez une minute de temps d'antenne euh, pour, euh, bien évidemment, finir en tant que jeune fille de l'Aïr. Qu'allez-vous faire pour la prospérité de votre ville au cours des cinq prochaines années? Aïchatou. Ah, je suis une fille de la région. Je suis née et grandie à Agadez. <laughs> Haïkul me pour que AMD changement, AMD implication de la jeunesse, surtout de la jeune féminine dans la sphère de prise de décision. Et je sais tant bien que mal d'éveiller la conscience de mes jeunes soeurs, de ne pas se faire intimider par mm. les hommes. Elle incite soit. Car derrière chaque grand homme, il y a toujours. C'est cache. Je vous laisse finir. Émission au bon, c'est fini, frère. La machine et les hommes. Hey, voilà.